d'à peine 50% à la préfecture. Nous nous intéresserons également euh, au Parti démocratique sénégalais tiré à U et à Dia. À quelques jours de l'élection présidentielle, euh, le Parti démocratique sénégalais se cherche euh, une voie entre les différents pôles en lice pour ces élections. Et puis pèlerinage à la Mecque, le Sénégal peine à remplir son quota de pèlerins. Malgré deux reports de la date limite d'inscription, seule la moitié des places réservées au Sénégal euh, ont été euh, souscrites. Détails et explications à suivre dans ce journal mis en onde par Abdoulaye Diop. Une partie de l'école privée Adja Jong de fatigue brûlée, le bus de l'école complètement calciné. Le propriétaire de l'école est du parti PASTEF. Les riverains accusent des militants de Beno Bokyakar. Ces incidents se sont produits hier soir entre militants du PASTEF et ceux de Beno Bokyakar lors du passage de la caravane de Jomai euh, président. Euh, nous restons à Fatik, euh, où les recettes tirées de l'exploitation prochaine du pétrole devraient profiter à tous les Sénégalais, surtout ceux de Fundjoun. C'est Bassirou Diomaye euh, qui euh, invoque ainsi le pétrole de Sangomar à l'étape de Fundjoun hier. Sa caravane a sillonné plusieurs villes de la région. Partout, il a promis, une fois élu, de mettre fin à la corruption et à la dilapidation des deniers publics. Aminata Goudjabi o Fatik, Bassirou Faye a beaucoup usé de sa langue maternelle pour s'adresser aux populations sa caravane a traversé plusieurs communes de la région elle s'est arrêtée à Passy Foundiougne et Fatik pour communier avec les militants sortis en masse pour l'accueillir dans la ville de Foundiougne particulièrement le, candidat de la coalition Djomay Président a évoqué le pétrole de Sangomar dont l'exploitation est imminente c'est ici, dans le département de Fundjoun, que le pétrole a été découvert. Je vous parlais du projet Sangomar. Son exploitation doit profiter aux populations de Fundjoun et des autres régions du Sénégal. Mais il serait inadmissible que vous n'y tirez aucun profit. Les ressources du Sénégal appartiennent à tous les Sénégalais. Corruption et dilapidation des deniers publics, des mots qui sont beaucoup revenus dans son discours. Bassirou Diomaye Faye invite les Fatikois à voter pour lui afin de mettre fin à ces pratiques malsaines qui appauvrissent le Sénégal. Ils nous font toujours croire que le Sénégal était un pays pauvre, mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a eu toujours un groupe euh, qui vole et dilapide les deniers publics. Euh, c'est pourquoi ils traitent les personnes euh, qui veulent stopper ces agissements de danger pour le pays, alors que ce sont eux les véritables dangers. Les clandestine semble aussi préoccuper le candidat de PASTEF. Le manque d'eau dans certaines zones de la région, le faible niveau d'électrification rurale et l'enclavement ont été également évoqués. Bassirou Diomaye promet d'y apporter des solutions une fois élu. Aminato Goudiabi, Fatik RFM. Une partie de la caravane des Jomai Président était à Kédougou hier avec Ousmane Sonko et Mustapha Girassi qui étaient venus livrer un message de leur candidat Bassirou Jomai Faye. Au cours de cette rencontre avec les militants et sympathisants de PASTEF, Ousmane Sonko a annoncé que le véritable, la véritable indépendance du Sénégal va démarrer au soir du 24 euh, mars prochain avec la victoire euh, de leur candidat. Il a par ailleurs révélé que tous les euh, contrats miniers seront renégociés au grand bénéfice des populations qui sont laissées en rade. Ousmane Sonko avec, euh, au micro de Ibrahim Dibaraté. Euh, cette forme d'organisation que je vois ainsi ne trompe jamais. Euh, c'est évident qu'à 19h, nous allons tous jubiler au soir du 24 mars 2024. La véritable indépendance du Sénégal va commencer ce dimanche. Euh, pour conclure, si nous sommes élus, nous allons renégocier les contrats miniers. Kédougou symbolise les mines au Sénégal. Nous allons le faire d'une manière à ce que Kédougou puisse en bénéficier pleinement des retombées des activités minières. Ils prétendent que c'est impossible. Je vous assure que c'est dans le domaine du possible et nous savons les voies et moyens qu'il faut emprunter pour y aboutir. Est-ce qu'on vous a une fois fait de fausses promesses Donc soyez rassurés. Je termine par une motion spéciale aux militants et militantes de PASTEF. Aux militants et aux militantes de PASTEF. Et puis le soutien de Macky Sall à son candidat Amadouba est plus utile dans l'ombre que sur le terrain. Ce sont les propos de son frère Ali Oussal qui confie euh, d'ailleurs que le président de la République et le candidat de la mouvance présidentielle s'entendent très bien et Kamadouba est très confiant quant à l'élection présidentielle prochaine. Il a été accueilli par d'immenses foules partout à l'intérieur du pays. Cependant, l'ex-maire de Guédiaway invite les populations de la dite ville à ne plus commettre l'erreur de voter pour sanctionner, car elle regrette déjà de confier la mairie à son successeur qui, selon lui, n'a fait aucune réalisation jusqu'ici. al Sall a fait face à la presse locale de Guédiaway si un président de la République se trompe, en décidant par exemple sur un coup de tête de changer de capital et de nous exposer à toutes les problématiques géopolitiques. C'est un Sall très souriant qui a fait face à la presse locale. À cœur ouvert, le frère du chef de l'État, dès sa prise de parole, donne des nouvelles du candidat de la coalition, Benno Bokoyakar. Il se porte à merveille. Je l'ai vu euh, hier euh, à 21h il était en hyper forme, certainement encouragé par euh, les immenses foules. J'ai jamais vu autant une caravane aussi populaire, aussi enthousiaste. Et donc, euh, c'est tout naturellement que tout cela ait un impact positif sur notre candidat. Moudouba, le profil idéal pour le Sénégal, confie à Lussal, actuellement à l'intérieur du pays pour battre campagne. Macky Sall n'est toujours pas sur le terrain pour soutenir son candidat pour Ali Sall, le soutien de son frère est beaucoup plus rentable sous l'ombre. Amadouba n'a pas besoin d'être euh, chaperonné comme euh, l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor. Certes, euh, Macky Sall est notre patron politique, certes, celui qui a choisi Amadouba, certes, qui lui apporte tout le soutien nécessaire, la preuve. Quand les gens ont hésité, c'est lui qui a demandé à tout le monde faire du terrain. C'est possible aussi que dans les heures à venir, qu'il euh, puisse euh, descendre sur le terrain. Mais je pense que son appui est surtout attendu ailleurs. Dans quelques jours, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir le prochain président, battu au dernier local par Ahmed Aydara. Aliou Sall invite les populations de Guédiawaye à ne plus commettre la même erreur. Il faut un choix mûrement réfléchi et de raison pour élire un chef de l'État, dit-il. L'élection présidentielle est un moment déterminant pour un pays de sorte que j'appelle euh, les jeunes en particulier de se départir de l'émotion et de penser à l'avenir de ce pays. Le frère du chef de l'État dit n'avoir aucun regret de la défaite des locales passées. Ce qui ne l'a pas surpris par contre, selon lui, c'est que son remplaçant à la tête de la mairie de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aydara, n'ait fait aucune réalisation pour le moment. RFM dans nos prochaines éditions, vous entendrez Aliou euh, sur euh, d'autres questions euh, agitées par Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de cette campagne électorale, notamment la question d'une monnaie locale pour le Sénégal, du déplacement de la capitale en Casamance et de l'exploitation des ressources naturelles. Intéressons-nous maintenant au Parti démocratique sénégalais, le PDS de plus en plus convoité. Les offres viennent de partout. Quelle devrait être euh, la meilleure formule pour euh, sauver l'avenir de ce grand parti, Mohamed Ali Mouba Selon l'analyste politique Malao Kanti, le PDS se trouve dans un dilemme cornélien. Trouver un choix qui arrange tout le monde risque d'être très difficile c'est vrai que choisir le camp du pouvoir, ça pourrait avoir un risque, puisque aujourd'hui, une partie du, de la population semble euh, vouloir se démarquer avec le président Macky Choisir aussi le camp euh, Faye, là aussi, ça peut, ça peut effectivement avoir d'autres répercussions, d'autant plus que ces gens-là euh, peuvent rester, euh, en tout cas, si toutefois ils arrivent à gagner les élections, peuvent rester euh, dominants, en tout cas très longtemps dans le champ politique sénégalais. Donc, c'est une position assez, assez, assez compliquée et je pense que le meilleur choix à ce niveau est d'avoir une position neutre, mais qui va être aussi plus ou moins incompris par certainement certains de leurs. Le journaliste Babacar soutient à peu près la même chose, mais les candidats multiplient selon lui les offres pour s'arracher le vote du PDS. Baba Karion. Au moment où, je parle, il y a des, offres assez intéressantes. Moi, j'ai entendu dire que Bernard Bokyakar et Amadouba proposent ni moins que le poste de Premier ministre à Karim Et c'est la plus petite offre qu'ils lui disent. Ils sont même prêts à lui offrir euh, le poste de vice-président. Hein. Donc, euh, est-ce que Karim, euh, avec tout ce qu'il a dit sur Amadouba et l'intérêt que ça peut susciter pour son parti, également lui, qu'il pourrait donc refuser euh, cette, offre Ça, c'est une chose. L'autre chose également, bon, il a parlé à Ed il a parlé à Khalif Khalifa Je ne vois pas peut-être euh, avec Pastef et Jomai euh, des, des rencontres qui ont eu lieu, mais c'est possible. Donc aujourd'hui, il y a une part en tout cas des cadres euh, qui pensent que euh, ce serait pas bien d'être avec Diomaye. Euh, on informe qu'une une partie du PDS est en train de, faire un point de presse, en tout cas de se rencontrer, pouvoir être avec Amadouba. Enfin, que faire pour sauver donc les meubles Baba Karyon pointe l'abstention. Moi, je crois que pour qu'il n'y ait pas de, contradiction, tirer l'abstention. Parce qu'avec euh, tout ce que Karim donc, a pu dire et le PDS à Amadouba, et également sont écartelés hein, dans les réunions qu'ils ont Il y a donc une partie qui veut aller vers Jamaï, d'autres vers Idi, hein, d'autres également peut vers Khalifa et Amadou. Euh, des risques, en tout cas, de crainte que son parti n'éclate, ben, l'abstention, ou comme, comme avait fait Maître Abdoulaye de dire que en dernier lieu, les, gens peuvent voter pour, pour, euh, celui, en tout cas celui de, leur choix, le candidat. Dilemme cornélien, le PDS fait face à un moment de son histoire. En cas d'abstention, ce qui est redouté, c'est surtout la démobilisation des troupes. RFM, la radio de toute l'actualité. À quelques jours de l'élection présidentielle, parlons maintenant de la distribution des cartes d'identité et d'électeurs. Euh, elle se poursuit à la préfecture de Saint-Louis. Sur place, certains citoyens sont obligés d'attendre la prochaine présidentielle. Leurs cartes d'identité ne sont pas encore sur place. Euh, sur les 12 591 cartes, 5 933 attendent d'être distribuées. Diop. Ah. À quatre jours de la présidentielle, les Saint-Louisiens récupèrent toujours leur carte d'identité à la préfecture. Ah, ah. <laughs> Fatou devra encore patienter. Elle ne va pas voter car sa carte d'identité n'est pas encore sur place. Même scénario pour Rokhaya Diop reçue par les distributeurs, elle aura une grande déception quelques minutes plus tard. Sa carte d'identité est toujours dans le circuit. Ah. Rokaya Diop voulait voter dimanche prochain, mais elle va attendre la prochaine présidentielle prévue en 2029. Ah, je ne suis pas contente ah, aujourd'hui parce que je voulais voter comme tous les citoyens à la préfecture de Saint-Louis sur les 12 591 cartes d'identité anciennes et nouvelles disponibles. Il ne reste que 5 933 à distribuer. Selon Papa Amadou Lamingay, le chef du bureau électoral de Saint-Louis. 98 total, 10 016 cartes. Donc on a distribué 6 euh, 460 nouveaux cartes et 198 euh, pour les anciens. Donc euh, ça reste pour le total du département 3 500 56 pour les nouveaux. Les anciens, ça reste 2377 cartes. Les populations viennent à la préfecture à compte pour récupérer leurs cartes d'identité à Saint-Louis. Certaines vont malheureusement attendre la prochaine présidentielle pour pouvoir accomplir leur devoir civique de citoyen. Au Diop, Saint-Louis, RFM. Autre enjeu de cette présidentielle à Matam, euh, la sécurisation du vote pour parer aux fraudes révélées pendant les dernières législatives dans cette région. Un cadre unitaire autour de la candidature de Diomaye Faye a été mis en place à Urosogi contre toute importation d'étrangers pour participer au scrutin de dimanche. Les forces de l'opposition unissent leurs efforts pour se dresser contre la traversée du fleuve le jour J. Une coalition qui est enrichie des arrivées d'anciens maires de du, de l'ancien maire Samba Nabeldia et euh, de l'ancien maire Samba Alassane Tiam, venu de la PR. Madame Ali Bandelion C'est une grande alliance des forces de l'opposition autour de la candidature de Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle de, de dimanche prochain. Les responsables de cette coalition plongent déjà dans la logique de la bonne tenue du scrutin afin de sécuriser l'expression de toutes les voix. Effectivement, vous l'avez bien dit, mais il faut, il, faut, il faut savoir une chose aussi. a grandi, on a mûri. On a eu à passer des élections locales et des élections législatives. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, pour vous dire que on a, le, travail a commencé avant même les élections. On a fait le maillage de tout le territoire du département de la région de Matam. En ce moment, tous les, quoi qu'on avait, nous qu'on avait dans certaines, certaines localités, surtout dans, dans le Danamayo, parce que comme il a dit, il y a, il y des, des ressortissants montagne qui venaient voter. On a essayé de, de, mettre, des, barrières, sécuriser le vote le jour du vote et surtout mettre, les, des mandatés, des personnes adéquates dans tous les bureaux de vote. Cette dynamique unitaire est beaucoup plus renforcée par l'arrivée de Samba à la Santiam de la paire, mais surtout celle de Samba Siredia, ancien maire de Urosugi. Et vous avez vu aussi les, anciens maires, les anciens comment responsables politiques de la paire qui sont tous venus par, idéologie. Ils ont vu le programme de, de coalition Président. Ils ont vu aussi l'abnégation des patriotes. Ils ont vu aussi la nécessité d'avoir un changement radical au soir du 24 mars, Inch'Allah, qu'on puisse euh, avoir notre souveraineté souveraineté nationale et cette souveraineté locale pour pouvoir, la mettre à la tête des pays des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Renverser la tendance à Urosugi des mains de Benno Bokyakar depuis 2012, les responsables de la coalition Jomai président plus que jamais déterminé à relever le défi. Matam, Ali Bandania, RFM à 12h16 euh, euh, le point sur euh, la libération des détenus dits politiques. À ce jour, 772 détenus ont été libérés, mais 828 autres sont toujours dans les prisons, selon le chargé de communication du FRAP, Daoud gay Il révèle que 20 détenus ont été libérés hier à Robes et une détenue a été également libérée à Refisque. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous sommes à 11 jours de la clôture des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque, mais pour le moment, euh, un peu plus de 4000 euh, personnes sont inscrites du côté des voyagistes privés, un millier pour la délégation générale au pèlerinage, une situation qui s'explique par deux facteurs majeurs, le contexte électoral et le chamboulement dans le calendrier. Le pouvoir d'achat très faible des populations est également cité. Plus de précisions avec Boubacardia. D'après les chiffres de la délégation générale au pèlerinage, 4782 des 11 000 pèlerins que doivent convoyer les voyagistes privés sont officiellement inscrits, mais une précision s'impose selon leur porte-parole. Oui, c'est juste qu'il faut d'abord préciser que les 4 000 et quelques dont parlait M. le ministre concernent les gens qui ont versé la taxe saoudienne. Ça veut dire que des gens qui ont finalisé leur procédure, mais au moins il y a le triple qui est en attente et dont les dossiers sont finalisés et que la procédure suit son cours. Orecham Prera explique ce constat par deux perturbations majeures du calendrier. D'abord, le calendrier des inscriptions en Arabie Saoudite. Nous, on avait l'habitude d'enrôler les pèlerins à partir du mois de Ramadan. Et cette année, cette euh, procédure a été changée. La clôture se fait maintenant avant le ramadan. La deuxième perturbation est liée au contexte électoral. Aujourd'hui, avec la campagne électorale, les gens qui avaient l'habitude d'envoyer les, pèlerins sur les mairies, les ministères, ne sont pas au rendez-vous pour la plupart. Donc tout cela cumulé également au prix qui est assez élevé pour le pèlerinage, tout cela fait que ça amène ce ralentissement. Du côté de la délégation générale au pèlerinage, l'on compte un millier déjà enregistré dont 700 préinscriptions sur un quota de 1860 pèlerins. Abdulaziz Mbaye, le chargé de communication. Je pense que le délégué dans sa démarche d'inclusion et de participation va demander examiner le cas avec les privés éventuellement pour essayer de trouver des solutions par rapport à les candidats au pèlerinage à la Mecque ont encore 11 jours avant la clôture des inscriptions. Le premier vol pour le Hajj est prévu pour ce 27 mai, le dernier vol retour le 25 juin 2024. Nous allons à Hambourg euh, où, euh, dans le cadre du développement local, les femmes mariées de la commune de Mbourg bénéficient d'une enveloppe de 200 millions de francs CFA en guise de financement sans garantie. C'est pour les appuyer dans leurs activités de vente de produits halieutiques ainsi, euh, et ainsi pallier euh, à la rareté euh, sur le marché de ces produits car certaines femmes y accèdent difficilement par manque de moyens. Le collectif national des marieurs du Sénégal veut donc vulgariser les financements sans garantie. Compte rendu des Matidiens. Par groupe de cinq, ces femmes marieuses passent à la caisse à tour de rôle pour récupérer le financement d'un million 200 000 francs CFA chacune un financement pour les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. Djougue Fall, secrétaire général du collectif national pour le développement du Sénégal, section commune de Le département de a bénéficié d'une chèque de 200 millions alliée aux femmes du quai de pêche. Par la présence d'une présidente Morfal qui a aussi fait beaucoup d'efforts pour ce financement, pour que les femmes puissent avoir cet, argent euh, payable pour six mois, pour pouvoir mieux exercer leur travail ici au port. Aminata présidente des femmes marailleuses du quai de pêche de au nom de ses collègues, se dit satisfaite de cette façon de procéder. L'octroi de financement sans garantie, c'est la stratégie qu'elles ont longtemps demandé, explique-t-elle. Bah, toutes les femmes sont satisfaites, mais cette satisfaction, nous le devons au président Morphal. C'est lui qui a fait toutes les démarches. Et j'avoue que c'est ce modèle de financement que nous avons demandé depuis toujours. Maintenant, on peut travailler à tête reposée sans même nous soucier des garanties. Le collectif national des appelle ainsi les autres banques à faire de même. Les femmes sont les porteurs du développement. Qui dit femme dit développement. Donc si vous appuyez sur les femmes, euh, je pense que vous avez une très bonne route pour passer vers l'avant. Euh, c'est ça. Ces acteurs de la pêche précisent, ce geste n'a rien de politique. Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour, Souleyman. Soudan du Sud, une nouvelle flambée de violence fait plusieurs morts. Des jeunes ont abattu plus de 10 personnes dans l'est du pays et cela à l'approche des élections nationales prévues à la fin du mois. Nous aurons l'occasion de suivre Sodatiam dans un instant. La Libye qui a fermé hier son principal poste frontalier avec la Tunisie après des affrontements entre groupes armés et forces du euh, force de l'ordre, force de sécurité du côté libyen de la frontière. Une annonce du ministère de l'Intérieur en communiqué souligne que cette fermeture vise à permettre la mise en place de dispositions sécuritaires et assurées son bon fonctionnement sous l'autorité de l'État. On le disait, hein, le Soudan du Sud, une nouvelle flambée de violence qui fait plusieurs morts, des jeunes ont abattu plus de 10 personnes dans l'est du pays, sur Tiam. La fusillade s'est produite mardi alors que le commissaire du comité de Boma à Pibor revenait d'une visite dans un village. Selon le ministre de l'Information de la zone administrative du Grand Pibor, le commissaire et son équipe se sont rendus au village de Niat et à son retour, il a été pris dans une embuscade et 15 personnes ont été tués, dont le commissaire Abraham Geleng a indiqué à Reuters que parmi les morts figurait le commandant adjoint de l'armée de Boma, des responsables gouvernementaux et les gardes du corps du commissaire du comité. Il a ajouté que les assaillants étaient soupçonnés d'être des jeunes de la communauté Anuak de la région. Ils ont également été accusés du meurtre l'année dernière d'un autre commissaire du comité de Pibor et d'un responsable de la sécurité. Les responsables du comité de Pochala, où les Anuyaks sont majoritaires, n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. Plus de 150 personnes ont été tuées fin janvier et début février dans le nord et l'ouest. Une guerre civile qui a éclaté deux ans après que le pays a obtenu son indépendance du Soudan a fait des centaines de milliers de morts entre 2013 et 2018. Depuis lors, une paix précaire règne entre les principaux belligérants, mais les affrontements se poursuivent entre une mosaïque de groupes armés. Certains militants estiment que la récente augmentation des meurtres est au moins une partie liée au vote qui désignera les dirigeants qui succéderont à l'actuel gouvernement de transition. En Afrique du Sud, le domicile de la présidente du Parlement perquisitionné pendant plusieurs heures. C'est dans le cadre d'une enquête sur des accusations selon lesquelles elle aurait accepté des pots de vin dans ses fonctions antérieures de ministre de la Défense. Selon un communiqué du Parlement, Mapissa Kwakula a nié tout euh, acte, tout acte répréhensible et a affirmé qu'elle n'a rien à cacher. La guerre euh, Hamas-Israël, le chef de la diplomatie américaine, est attendu aujourd'hui au Moyen-Orient. Anthony Blinken veut arracher une trêve de plusieurs semaines dans les combats à Gaza. Le secrétaire d'État américain va se rendre en Arabie Saoudite et en Égypte. Golfe de Guinée, un navire de la marine française de l'opération Corumba saisit la semaine dernière 10,7 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche brésilien. Une annonce ce matin de la préfecture maritime de l'Atlantique qui précise que la drogue d'une valeur marchande estimée à près de 695 millions d'euros a été transbordée sur le bâtiment de la marine française pour y être euh, détruite. Et ces chiffres sur le travail forcé, selon le dernier rapport de l'organisation l'Organisation internationale du travail publié hier. Il rapporterait 236 milliards de dollars dans le monde chaque année. Depuis 2014, les profits illégaux issus du travail ont augmenté de 37%. D'après l'OIT, deux facteurs expliquent euh, cela. Le nombre de personnes euh, forcées à travailler qui a considérablement augmenté en 10 ans et la part même des profits liés à ces pratiques qui ont bondi par euh, zone géographique, c'est en Europe et en Asie centrale que les profits sont les plus euh, élevés. Suleiman, on termine par la journée internationale de la francophonie célébrée euh, ce 20 mars, journée placée cette année sous le thème du prochain sommet de la francophonie. Là-dessus, le message de Louise Moussiki-Wabo. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. Le prix des cinq continents, le Fonds Image de la francophonie, les Jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Louise Moshikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci Georges Diop. À présent, le journal des sports. À la présentation, cher Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Slémania. Jeux africains, Louis-François Mendy s'illustre en athlétisme. Oui, il est médaillé d'or hier et cela permet au Sénégal d'engranger Trois médailles en or, euh, le spécialiste du 110 mètres et a remporté la course hier pour le compte de la 13e édition de ces Jeux africains qui se déroulent présentement à Accra. Qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l'athlète s'est emparé de la médaille d'or lors de la finale avec un temps 13 secondes 61 tiers. Il lui a fallu 13 secondes 61 tierces pour s'emparer de la médaille d'or. Lui, François Mendy, a confirmé ses belles performances réalisées depuis quelque temps et s'en félicite. Là, je suis très content d'être champion des Africains parce que je me rappelle bien, j'étais troisième à Rabat. J'étais potentiel médaillé d'or à Rabat, mais bon, comme on dit, c'est Dieu qui décide quoi. J'étais troisième. Là, je me suis dit que bon, je vais tout faire pour être euh, le premier. Le spécialiste du 110 mètres et lance un signal fort à ses futurs adversaires pour les échéances à venir. J'ai l'habitude de le dire, vous savez, les finales, euh, ça se joue pas, ça se gagne, hein, ça se gagne. Et du coup, comme je suis bien instrumenté maintenant, du coup, euh, en série, je me suis dit que bon, je vais faire tout pour passer les séries. Après, en finale, euh, je vais tout faire pour avoir la, médaille d'or pour mon pays. C'est ça. Le, cette compétition-là, c'est juste pour me mettre en jambe, en fait, quoi, avant les autres, les autres compétitions. Je dois faire des meetings en Europe et en Asie et tout. Après, en juin, je ne me trompe pas, il y a les Et c'est en juin que, ça, va, bien se commencer en fait. Déjà qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024, lui, François Mendy, souligne qu'il lui reste encore beaucoup à faire. Il en profite pour lancer un appel aux autorités du département des sports. Au niveau des autorités, hein du ministère et tout, parce que j'ai déposé une budget là-bas, une, euh, genre, ma planification qui, a, qui estime à 23 millions, si je ne me trompe pas. Et là, jusqu'à présent, on m'a dit que bon, il est en route, mais bon, vous savez, les JO, c'est là. Jusqu'à présent, j'ai rien reçu, mais bon, comme on dit, j'ai toujours travaillé comme ça, je vais continuer à travailler comme ça avec l'aide de, du comité olympique et de la Fédé Et on se reçoit. mais bon, si le ministère vient, après bon, on verra, on verra bien ce qu'il Mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi. Lui, françois Mendy offre ainsi au Sénégal sa troisième médaille d'or dans cette 13e édition des Jeux africains et vise d'autres médailles africaines et même olympiques. Lui, françois Mendy tout en or, Salissar tout en bronze, et c'est illustré également hier euh, notre compatriote euh, en saut avec une médaille de bronze qu'elle a eu remportée. Vous l'entendrez dans nos toutes prochaines éditions, mais retenez que le Sénégal décroche ainsi 18 médailles avec 3 en or, 5 en argent et 12 en bronze. Par contre, contre casse euh, pour les Lionceaux du foot. Oui, pas de finale euh, pour cette catégorie. Ils ont été battus hier, mardi, en demi-finale du tournoi des Jeux Olympiques par le pays haute le Ghana. Score un but à zéro, un but inscrit à la 84e minute de jeu. Voici la réaction de Serigne saluga le sélectionneur de l'équipe u du Sénégal. Je pense qu'on voit euh, comment on a joué, euh, comme je l'ai dit tantôt, c'est nous-mêmes qui avons la possibilité de créer, euh, en fait, de, se procurer des occasions de but. Donc c'est le plan tactique, c'est la penser à avoir un très compact et à utiliser les erreurs que pouvait la défense pouvait faire. Donc, je pense que la défense à quoi il fallait à la récupération exploser, mais je pense qu'on n'a pas eu à faire cette dernière fois tout le temps. Peut-être c'est la fatigue ou c'est l'émotion ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ont fait le ce qu'ils devaient faire. Je pense que ça gagne sur ces détails à la fin du temps. Donc c'est des garçons encouragés et en pour moi. Je a pas de respect quand on va dans un terrain, il y a un plan tactique qui, est mis en place. Le plan était d'être très bien organisé et de jouer les trajets de en C'est Parce que Ghana est très fiable derrière. Je pense qu'ils font beaucoup d'erreurs. On a trouvé de ces erreurs, mais malheureusement, il y avait la dernière passe qui manquait, il y avait le manque de trajets qui manquait. Mais c'est juste, le plan était très clair. Être très organisé, prendre les balles, jouer les trajets en France. Je pense que c'est ça qu'on voulait pour gagner. Et est-ce que tu as vu en premier temps, Ghana n'a pas eu une seule occasion, à part des, des, solitaires. Je Nous, on a fait ce qu'on devait faire. Et comme je l'ai dit, ça s'est gagné sur des détails, sur un fin de temps. Et je pense que l'arbitre avait de notre penalty, je pense le match aurait au parce que la ville a été trop proche avec notre organisateur. Ça, il faut aussi le reconnaître le dire. Voilà, c'est en bas. Si j'ai la tête en bas les journée, je me demande quoi faire les jours. En effet, l'entraîneur, c'est lui qui doit donner le bon exemple. Et tout de suite, on les a dit de lever la tête. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et tout match doit être décidé par une victoire, un match nul ou une défaite. On en a pris une défaite. On doit apprendre un peu de ces erreurs. On a une équipe qu'on vient juste monter. Une équipe qui a encore, on a 20 lui. Voilà, maintenant, on va être très motivé pour aller chercher le troisième place. C'est des jeux. Je prends toutes les médailles vont être extrêmement importantes. On va être très motivé pour aller chercher cette troisième place cette bonne nouvelle pour Dani Alves. Oui, la justice espagnole a accepté ce matin la demande de remise en liberté du footballeur brésilien condamné le mois dernier en première instance à 4 ans et demi de prison pour viol. Le paiement d'une caution d'un million d'euros va être effectué pour sortir euh, de prison l'ancien international brésilien. Il y a plusieurs jours, une rumeur avait remis le footballeur en tendance sur les réseaux sociaux après l'annonce du suicide du jour en prison. L'information a été démentie par la suite par sa famille, notamment euh, son frère euh, du nom de Ney, qui avait par ailleurs continué d'apporter son soutien à son frère qui certainement va retrouver la liberté. Cher Tidiane Diagne, le journal des sports à l'instant. Merci. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Karim Wad, le faisait des rois et les enchères, attendu pour faire espère t pencher la balance d'un côté ou d'un autre, le PDS fait encore désirer. Karim continue de garder le suspense tout en renvoyant 12 à 12 tout le monde, ou presque au deuxième tour devenu inévitable selon ses tendances. Écartelé entre un boycott et un soutien contre nature, le fils d'Abdelai Wad continue de faire son cogito ergo sum, je pense, donc je suis du fameux mathématicien physicien et philosophe français René Descartes. Et la logique mathématique, le fils d'Abdoulaye en a besoin pour faire le bon choix. En attendant de trouver la bonne formule, Karim fait monter les enchères. Les libéraux sont partagés entre Idriss Sasek et Amadouba. Le témoin informe qu'en fait, ce sont Karim et Bougan Gaydani qui sont les faiseurs de roi dans cette élection. Et ils sont courtisés, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Vox Populi croit savoir que Karim Wad va laisser l'équation sans solution. Il va finalement devoir se rendre à l'évidence, laisser chaque membre du FDPI rouler pour qui il veut et pour cause. Certains membres sont pour le boycott, d'autres sont contre, d'autres encore sont pour une collaboration avec une coalition. Les anciens de l'UJTL roulent pour Idrissa Seck et lancent un appel à tous les euh, frères libéraux du Sénégal et de la diaspora. Selon le journal, il a été décidé, enfin de reconnaître à chaque entité le droit de faire librement son choix. En attendant, Amadouba enregistre des soutiens de taille. Selon le quotidien, 10 députés et 20 responsables de fédération ont décidé de rejoindre le candidat de Benoît dans la banlieue dakaroise. Un autre renfort de taille énonce le mandat, un renfort. Donc, la coalition Aminata Lou 2024 qui a rejoint les candidats de la majorité. Le candidat de la majorité, Amadouba, qui tend la main à Bounjon. Vox Populi rapporte que Amadou a enflammé euh, hier le et a blessé Dousso en a profité pour tirer sur la Bipsi, Cher Tidiane et Gomaï Faye. Gomaï euh, Faye, justement, le journal nous dit qu'il a répondu, il a apporté la réplique à Amadouba qui demande aux électeurs de ne pas confier le pays à des aventuriers, à des hommes dangereux. Eh bien, à Amadouba, Gomaï répond, je serai en danger pour toute personne qui pille nos ressources. Dans Walfadri, le leader de Gomaï Président se lâche un peu plus et promet de réduire l'hyper-présidentialisme il revient aussi sur son parcours euh, personnel, une tribune pour faire du lift mais sur ça, indique que Diomaye Faye a encore du travail. Il est dans la tourmente. Il fait face à trois équations à ce jour. Euh, constat premier, pour le moment, il n'a pas les grands électeurs que des jeunes avec lui. Il doit aller chercher, je cite, les parents dans les maisons. Pendant ce temps, les autres candidats à font aussi, dans le même journal, le journal Vox Populi, Lingouya promet 1000, milliards pour une, autosuffisance, pour une autosuffisance en riz. se fait le candidat du développement le pan Aziganchor note le journal Soursa de Kiefal dit que Thiès est une grande ville qui doit revenir. Dans Réumi quotidien, Khalifa déclare son ambition pour la Casamance. L'observateur, lui, a fait focus sur la foule. Qu'est-ce qu'elle dit de l'élection Le journal dit, attention, la foule, ça ne veut presque rien dire. C'est souvent un baromètre trompe-le. Il n'est jamais évident de faire une corrélation directe entre les foules que l'on voit et l'électorat réel. Attention donc, a dit la publication. Le journal Enquête a fait focus sur les futures premières dames. Est-ce qu'elles excellence vos épouses? Le journal note que de Senghor à Macky il y a des cils, des méthodes et des pouvoirs des premières dames, chacune en ce qui la concerne. Les premières dames qu'on semble cacher au Sénégalais, Macky Sall et Mariam Faisal, ce sont deux corps dans une même tête. Un premier monsieur un colonel de la gendarmerie pourrait le euh, devenir et c'est l'époux de Anta Babakangam. Bonne à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h37 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. El Hajj à la rédaction en chef, à la mise en nom d'Abdoulaye Diop, euh, Maïsambay au digital, à la production Aliouba. À 13h, retrouvez El Hajj pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le journal de la campagne électorale à la présentation. Famadion, bonjour. Bonjour Suleiman. Présidentiel 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Histogéo aux couleurs de la campagne avec Elage Goudin, Allo Sénégal, Escal. À suivre, le journal de la campagne, première partie, après les éditions de 12h et 13h. Agenda, Actu Campagne, le direct du jour, Diaspora, Avis d'expert, la campagne 2 avec DJ Coloss. Géoubi de 15h à 16h30 avec Macumba Bay. Meeting tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Bey et Mohamed jojo Journal de la campagne, deuxième partie, après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda, présidentiel 2024, la RFM au cœur des événements. et à Pour finir, la caravane de la coalition Gaku 2024 passera aujourd'hui à Meke, Nduku, Chivawan, Taibanjai et Daruhudos. Merci à Tom Chorandi, Francesco. Actu campagne aujourd'hui largement consacré aux affrontements entre des membres de la coalition Diomaye Président et ceux de Benno Bokuyakar, la sortie de Antebaba Ngom, entre autres actualités, c'est avec Anna Rocha. Décidément, ce n'est pas du tout le grand amour entre la coalition Benno et la coalition Diomaye Président. Chaque fois que les deux camps se croisent sur la route de la campagne électorale, ça vire au drame. Dernier théâtre de cette animosité, Catherine, qui attendait d'accueillir Ousmane Sonko. De violents affrontements ont donc euh, éclaté hier nuit encore. Des bons publics ont été saccagés, ainsi que le siège de la paire. La veille déjà, il y a eu bagarre dans laquelle plusieurs personnes ont été blessées. À Richard Toll, Anta Babacar a d'ailleurs vertement critiqué les candidats des deux coalitions. La candidate du mouvement ARC a d'abord fustigé, je cite, l'incompétence de Bassirou Diomaye suite à sa proposition de changer le franc CFA. Le Sénégal n'acceptera pas un candidat par procuration, a-t-elle ajouté. À propos du candidat de Beno, Anta Babakargom estime que Amadouba n'a rien fait de significatif pour le développement pour le développement du pays. À Saint-Louis, la seule femme candidate à cette présidentielle a croisé en route Serine Le candidat de la coalition Andenaoulé Andeligé veut lui doter la ville tricentenaire euh, d'un grand port maritime, de quais de pêche modernes et d'un plan d'aménagement à Gendar. Serine pense que ce sont ces infrastructures qui manquent à Saint-Louis pour réellement concurrencer Dakar. Le professeur Ndiaye était en campagne au sud du pays. Lors de sa caravane à Sédou, il s'est engagé à garantir aux femmes un accès équitable et sécurisé à la terre. Hier mardi, Khalifa président était dans la tourmente dans la banlieue de Dakar. Leur caravane Là aussi, c'est quelque chose vraiment qui va nous arranger beaucoup. Deuxièmement, nous marchons avec notre passeport donc euh, à l'intérieur du pays. C'est quelque chose que nous déplorons parce que parfois vous trouvez quelqu'un avec son passeport a fait, son passeport a fait seulement trois ans, mais vous trouvez que le passeport est totalement abîmé. Donc là, vraiment. À l'instant, Ousmane Ngalan, sénégalais, donc établi au Congo-Brazzaville. Aminata bonjour. Ah, bonjour, Samadjan. Vous êtes notre correspondante à Kermessar. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont sillonné les six communes du département pour échanger avec les électeurs. Nombreux parmi eux ont pris des engagements, notamment sur la question des inondations. Oui, Fama, la campagne bat en plein dans cette partie de la banlieue de Dakar. Euh, plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont déjà passés par le département de Kormosa, je peux pas près du Fall, Alim Ndiaye, professeur Adao Ndiaye, Obakar Kamara, Anta Babakar Ngom et la coalition Yomai Président, qui d'ailleurs a sillonné les du département. Et depuis lors, les militants poursuivent les visites de proximité à Kermassar. Le candidat du PUR, Aliou Mamadoutia, était à Yimbol où il a pris, où il a promis à ses militants des investissements en termes d'infrastructures de base, mais aussi, mais aussi de régler le problème des inondations dans un délai de trois ans. Une fois élu président de la République, le candidat de la coalition diaou 2024 a ouvert sa campagne ici même à Kermassara par un meeting. Mamboui Diaou prône l'émancipation des femmes. Il compte instaurer une parité stricte dans son gouvernement s'il est élu président de la République au soir du 24 mars 2024. Mais force est de constater que depuis cette date, nous n'avons pas, nous n'avons nous n'avons noté aucune activité de la part de ces militants à Kermessar. Le candidat de la coalition Gakou 2024 a fait une caravane à Kermessar où il a promis de le des denrées de forte consommation une fois à la tête du pays. Les partisans de Khalifa Ababakar Sal ont eu, un euh, fait, hier une caravane à Limbel. Pour sa part, la coalition Benoboku Yakar de Kermessar a démarré ses activités le week-end dernier et de à en passant par Kermassar et Malika. Les leaders, notamment Tien et Mustafa Meng, dirigent des caravanes en attendant la visite de leur candidat Amadouba prévue demain jeudi. Merci beaucoup. Aminata Ba, notre correspondante donc à Kermassar. L'avis du secteur privé dans les différents programmes des candidats, surtout que la majeure partie promet de l'emploi aux jeunes. Lam, bonjour. Bonjour, euh, madame. Vous êtes le président du CNES, la Confédération nationale des employeurs et euh, tous les candidats sont invités à se rendre à la Chambre de commerce, qui est notre point focal pour aller consulter la charge et effectivement la signer. Mhm. Pour revenir euh, maintenant à votre question, euh, l'emploi des, jeunes d'une manière générale et, des femmes, il faut l'inclure dans le processus, est, un maillon important de tout ce qui devrait se faire en matière de développement du pays. Nous avons vu euh, toutes les difficultés que nous avons à de l'emploi des jeunes, avec mm. plus de 300 000 jeunes qui sont sur le marché du travail. Mm. Et je crois que le, véritable challenge se trouve, euh, de mon point de vue, euh, dans l'emploi des jeunes et l'industrialisation du pays. Évidemment, il y a d'autres thèmes qui ont été débattus dans ce document-là. Mm-hmm et euh, l'occasion peut-être se présentera pour euh, échanger avec les candidats. Très bien. Alors, euh, avec le report de la présidentielle, il y a eu une, situation d'incertitude. Quel a été l'impact de cette situation dans le secteur privé Écoutez, une, véritable catastrophe économique. Depuis presque près de trois ans, le pays est ralenti. Et, justement, ce ralentissement de l'économie est mm. aussi difficile à, évaluer parce qu'il y a des secteurs qui, tant bien que mal, essaient de s'en sortir. On ne peut pas s'arrêter. L'économie ne peut pas s'arrêter. Mhm. Mais les dégâts sont énormes. Les collègues, les confrères que nous rencontrons sont dans un désarroi tel que euh, il faudrait que l'on se remette rapidement à, euh, reconstituer notre tissu euh, social d'abord, mhm. notre tissu économique mais de manière très, très urgente. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Adam Alam, président du CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. C'est le candidat de la coalition And ligué' Serine Boup compte s'appuyer sur trois piliers, Daraji, le savoir, Tolbi, le travail, et Penchimi, la démocratie. Aujourd'hui, Nongoka nous parle de ce Nongodara qui va à l'assaut du palais. Serine la solution Serimbou pense qu'il pourra être la surprise de cette présidentielle. L'ancien élève de l'école coranique veut devenir président de la République sans avoir fréquenté l'école française. Et je suis à ce propos optimisé de la victoire de ma coalition au soir du 24 février. L'opérateur économique met en avant ses capacités managériales. Avec son audace, il a défié les politiciens et gagné la mairie de Kaoulak en 2022. Avec la même détermination et conviction, l'homme d'affaires croit pouvoir réaliser cette prouesse le 24 mars, mais certains trouvent que son niveau de français constitue déjà un obstacle. À notre événement à la tête du commune en mars 2022, nous avons mené des actions pour améliorer le cadre de vie. Nous avons mené des opérations de saupoudrage fréquentes pour éradiquer les yo et les yens. Pour Serine Boub, ce qui compte, c'est la vision, la volonté et le pouvoir de se doter les moyens pour la matérialiser au bénéfice de la population, sans oublier que son parcours renseigne sur sa résilience. jóge ci suis man a société société. du d'ar de Koki à Louga le Nongo fait partie aujourd'hui des champions industriels du Sénégal il a exercé le métier de marchand ambulant tablier jusqu'à être grossiste aux côtés de son père baron après son décès Serigne a transformé l'entreprise familiale en empire en bon capitaine d'industrie il a placé l'entreprise CCBM Group sur orbite cette holding s'active dans plusieurs domaines comme l'automobile l'électronique l'agro-industrie, etc Serigne Mboup a été président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture culture de Kaulak, L'homme d'affaires a dirigé aussi l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le candidat de la coalition And Naoulé And veut contribuer au développement du Sénégal en tant que chef de l'État. Et pour Serigne tout doit démarrer ce 24 mars 2024. Bonjour, monsieur Aliou Mamadou Dia de Pure. Bonjour, Didier Colos, comment vas-tu euh, C'est un plaisir pour moi de, te parler. Euh, je suis fier et merci euh, de, l'invitation. Depuis le début des campagne du mois de février, vous déroulez sans embuscade. C'est votre staff sécurité qui assure ou bien Non, on n'a jamais été inquiété par qui que ce soit parce que euh, les autorités euh, policières savent, savent, exactement que nous, nous faisons les choses dans le bon ordre. Euh, nous ne perturbons personne, nous ne provoquons personne. Euh, nous faisons les choses dans, le bon, dans, dans les règles de l'art, avec la discipline. ce qui manque dans notre pays, malheureusement, du c'est cette discipline dont on a vraiment besoin pour progresser et pour avancer. Mais je pense que le PUR est un bon exemple euh, sur ça. Euh, que tout ce que nous faisons, vous l'avez vous-même remarqué, quelle que soit euh, la foule, quelles que soient les personnes qui viennent pendant les caravanes, il n'y a jamais eu de débordement. Il, ne peut pas y avoir de débordement. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, il n'y a, pas de, a pas de raison de se faire gazer par, par la police ou par la gendarmerie, d'autant plus qu'on n'a rien fait d'illégal. En matière de sport, vos adversaires n'évoquent pas le sujet. Avez-vous réservé des améliorations dans ce domaine Le sport est extrêmement important. Mais juste pour me résumer, je dirais que euh, le sport ne doit pas simplement être une affaire de, grandes infrastructures, des stades, de grands stades, ou des des arènes euh, qui vont vont qui sont fermées d'ailleurs, qui ne sont pas utilisées par les jeunes sénégalais. Euh, moi, je ne vois jamais les jeunes aller euh, faire des activités sportives au Grand Stade ou bien à Dakar Arena. Donc, c'est pas accessible aux Sénégalais lambda, euh, c'est pour une certaine élite. Et moi, je pense que c'est pas normal. Donc, euh, pour pallier à ça, il faudrait décentraliser les infrastructures sportives un peu partout, à l'intérieur du pays, dans les régions, dans les départements. Il faut que les jeunes Sénégalais aient accès à ces infrastructures-là. Président Aliou Mamadou d'après vos estimations, quel pourcentage donnez-vous à Pure jusque-là Bon, écoutez, je ne fait pas d'estimation. Hein. Nous sommes en train de travailler, nous travaillons, nous travaillons. Euh, le jour du scrutin, on verra. Voilà. Euh, je, mais je suis, je suis conscient d'une chose, c'est que Inch'Allah, nous gagnerons cette élection euh, avec, avec vigueur. Parce que je sais que nous avons beaucoup travaillé et nous avons bien travaillé. Inch'Allah, on découvrira ensemble nos scores. Président, pourquoi vous ne listez pas les noms des villages au lieu des régions. Du Colosse, mais moi j'ai fait le tour du Sénégal euh, pendant ma pré-campagne. Euh, je suis allé partout. Bon, je ne peux pas dire que j'ai fait tous les villages du Sénégal, mais en tout cas, je suis allé dans plusieurs, plusieurs, plusieurs villages. Euh, dans, des, dans des dizaines et des dizaines de villages pour rencontrer les gens, rencontrer les Sénégalais, parce que moi j'aime ce contact avec, euh, avec le peuple sénégalais, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on est en contact avec les Sénégalais. Ils ont les solutions à leurs problèmes. Mais malheureusement, on ne les écoute pas. Et moi, j'aime bien écouter les Sénégalais. Votre parti pur est souvent taxé de parti religieux. Quel est votre avis là-dessus Oui, je pense que ça, c'est euh, juste une impression, c'est un faux problème, puisqu'il n'y a pas de parti religieux au Sénégal. Notre constitution ne le permet pas, euh, nos lois et règlements ne le permettent pas. Donc, euh, comme j'ai l'habitude de dire, que le PUR, c'est un parti qui est légalement constitué. Il n'y a pas de parti religieux au Sénégal. Vous venez au PUR, vous trouvez des musulmans, vous trouvez des catholiques, des protestants, vous trouvez toutes les confessions qui existent dans notre pays. La preuve, notre directeur de campagne, n'est pas musulman, c'est un chrétien. Président Derneville, vous le connaissez tous. Donc, euh, nous avons des maires qui sont chrétiens, euh, nous avons des conseils municipaux qui sont, qui sont chrétiens. Euh, dans le sud, nous avons tous nos secrétaires généraux de communes, de fédérations. Il y en a beaucoup qui sont des chrétiens, qui ne sont pas de confession musulmane. Donc, donc voilà, il n'y a pas de. Ça, c'est une fausse impression. Et il faut que vraiment que les gens arrêtent de dire ça, parce que c'est pas vrai il faut, dire les choses telles quelles. À quand votre méga meeting avec Sering Mustafa Si Le public est impatient. Oui, le président du parti, euh, s'il est, euh, est, disponible, parce que vous savez, il a un agenda très chargé, mais je suis sûr que s'il est disponible, il viendra nous soutenir euh, à, cette, à cette rencontre. Mais tout dépendra de son agenda, qui souvent est très chargé. Mais nous souhaitons qu'il vienne aussi nous accompagner, nous soutenir pendant cette rencontre que nous avons organisée que nous voulons grandiose. Président Aliou Momodou Merci. Bah, je vous dis merci beaucoup aussi pour, euh, pour l'invitation et pour euh, l'hospitalité surtout. Comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même une école pour le Sénégal et pour ça, nous vous félicitons pour, euh, pour tout le travail. À l'instant, Ali Mamoudou Djadupur, à 12h57 minutes, c'est la fin de ce journal consacré à la publicité sur RFM. Parce que les bonnes habitudes sont toujours là, cette année encore, nous sommes présents à vos côtés pour vous faire vivre un ramadan chaleureux, solidaire et généreux. Restez connectés pour en savoir plus sur nos offres, services et actions solidaires kooru jàmm ak Sonatel. kooru ren Wave dafa fas yéene yokk loxoom ngir gën leen a saa si weeru koor sa saa yoo leen defee ay paiement marchand si magasin Auchan yi wala hypermarché exclusive Wave mail la ay 10 000 100 000 ba lu 1 million de francs CFA. scanel pour fay ak application Wave ba sa bouton cadeau xool sa carte ngir gagner say cadeau yomb la def teg si Wave dal mo gën ci yéen gaaw ci yéen ak Wave sa xaalis borom. Chers clients, profitez de ce mois béni du Ramadan pour partager des sourires, de la générosité et être une source d'inspiration. Les grands moulins de Dakar vous souhaitent Ramadan Karim. GMD, toute une vie. fukki fan ci mars ba fukki fan ci avril une économie dañuy gën a am doole ak promo Wow Days yu Air Côte d'Ivoire yi ci diiru benn weer bànneexu leen ci wàññi gu mën a dem ba ci 40 pour cent ci njëgu bi yi tarif hors taxe ci mboolem suñuy destination régionales yi dem leen ci agence yu Air Côte d'Ivoire yi mbaa ci agence yi ngeen di faral di jëndee seeni billet wàññi gi mi ngi am ci réseau régional bi ak ci classe économique Air Côte d'Ivoire notre plus beau voyage c'est Bouga ou Akbaobab Microfinance. 100 000 pour 350 millions. fépp petit Sénégal qui suñuy 43 agences. da nga bëgg se sa ngir wajal koor gi ak korité dawal gaaw seeti wa Baobab. waaw waaw ak Baobab financement ci dir bu gàtt nga jot sa marchandises. chargé sa marchandise. li si a neex moy, aajowul caution manam ubbil sa compte légit ñu financer les 100 000 350 millions lu gaaw nga avancé ma yokkute ngir waajal koor gi Baobab indil na ay kiliyaanam crédit taf-taf décaissé léegi puus fay bi ba ñetti weer waa lii neexul Baobab gën a gaaw gën a noppale ngir bépp leeral 818 04 04 04 am leen koor gu sell ak chaîne yi gën nga xam ni télé religieuse yëpp dugg nañ ci bouquet canal bi Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi te ñi ngi ci bouquet canal plus fekk leen tamit ci bouquet canal plus seen championnat européen yi dañu nar a gën a neex ci biir weeru koor gi Saudi Pro League NBA saison 2 bu déchéance moo yow mës nga gis lu dàq canal plus lii nag mooy seen sukkaru abonné wu leen gaaw gaaw gaaw Canal Plus mooy toqal ci xol yi neex neex di benn waxtu jot ca pël ga njaay njaay ak loganeem nekk ca fatik ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. li ci gën a fës fitna fitna di gën a jolli ci campagne électorale bi benn école la taal ca Fatick ndax boroom waa Pastef la bus école ba tamit taalale nañ ko ay jàppante amoon foofa diggante waa benn Bokk Yaakaar ak waa Jomaay président waa PDS jar lool jamono.